Gẹ́gẹ́ bí ní ìṣẹ̀lẹ̀ àlàáfà, aláàfẹ́ tùmọ̀. Ce matin, malgré un léger coup de vent et la poussière, la devanture du sultanat de Dosso est envahie par une foule nombreuse venue assister à l'intronisation du magaji du sultanat de Dosso. Des troupes culturelles, des démonstrations de danse du terroir, les griots royaux et une série d'interventions guidées par les maîtres de cérémonie ont fait patienter les spectateurs jusqu'aux environs de 11h. Docteur Abdou Amani, sur une entouré de la garde royale, a reçu le turban du Sandi de Dosso, un des notables de la cour, sous les acclamations de la foule parmi lesquelles sa famille connaissable par leur uniforme. Ce chef de famille de soixantaine, anciens fonctionnaires de l'État, a occupé de nombreux postes de responsabilité dont le dernier est celui du chef secteur de Tingala dans la commune rurale de Kargibongo. La cérémonie a pris fin avec le tour d'honneur du Magaji de Dosso, recevant les félicitations des autorités administratives et coutumières présentes à la cérémonie. Daouda San depuis Dosso pour le studio Kalango.